auditeurs et auditrice des programmes du studio Kalangou, bonsoir euh, et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du studio Kalangou, Bakim Batour Al-Mustafa à la présentation. La mendicité des Nigériens à l'intérieur et hors des frontières, c'est le thème que nous allons développer ce soir avec nos invités. Défini comme le fait de mendier, donc euh, de demander de l'aumône, la pratique de la mendicité prend de plus en plus de l'ampleur dans les villes et même à l'étranger. En effet, Aujourd'hui, la pratique de la mendicité est devenue pour certains Nigériens un métier ou une activité génératrice de revenus. Ils sont nombreux, ceux et celles qui pratiquent la mendicité et qui partent même souvent à l'étranger pour mendier ou demander de l'aumône. Certains Nigériens qualifiés de mendiants voyagent hors de nos frontières nigériennes à destination d'autres pays voisins pour s'adonner à cette pratique. Alors, qu'est-ce que la mendicité et qu'est-ce qui explique son développement au Niger Quelles pourraient être les conséquences de la mendicité pour les concernés et le pays Comment faire pour lutter efficacement contre cette mendicité qui se développe de plus en plus au Niger. Avec nos invités, nous allons tenter de trouver des réponses à ces interrogations et c'est pourquoi nous recevons ce soir sur ce plateau M. Hamadou Banya Ibrahim, qui est un sociologue de formation, nous avons également ce soir euh, M. Zebri Nahamani, chargé des relations et des programmes de l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger Alten, et M. Ahmed Issifiaro, qui est prédicateur et chargé des relations extérieures à l'AIN, l'Association islamique du Niger. Bonsoir, chers invités, et soyez les bienvenus dans ce forum du Studio Kalangu. Des mendiants en grand nombre et à longueur de journée dans les villes du Niger, parmi lesquelles des talibés, des personnes handicapées et même des personnes bien portantes souvent, des ressortissants nigériens expulsés de certains pays pour la pratique de la mendicité, une pratique répréhensible par la loi nigérienne entrée en vigueur en mai 2019. Alors, avec nos invités, nous tenterons de parler aujourd'hui de cette question de mendicité que pratiquent certains Nigériens à à l'échelle nationale et même à l'étranger. Pour commencer, monsieur, euh, dites-nous euh, qu'est-ce que cette mendicité qui se développe de plus en plus au Niger Et euh, nous allons commencer par le sociologue, monsieur. Dites-nous quelle qualification sociologique peut-on donner à la mendicité pratiquée par les Nigériens Merci, monsieur Al-Mustafa, de m'avoir donné l'opportunité de venir m'exprimer sur vos ondes, sur la question de la mendicité qui est devenue une question aussi préoccupante que délicate. Préoccupante parce que c'est une pratique, c'est un phénomène qui a évolué, donc du stade normal, accepté par la société, et qui est devenu aujourd'hui un métier. Je vais vous faire un bref historique. C'est quoi d'abord la mendicité La mendicité, c'est une pratique qui est destinée à une catégorie de personnes c'est-à-dire des personnes qui ont des handicaps physiques ou des personnes qui sont victimes d'abandon familial. Mais il y a aussi une autre catégorie qui est connue de tous. Et c'est cette catégorie que la société accepte entièrement parce qu'il s'agit des enfants qui quittent leur terroir natal avec leurs marabouts, qui viennent s'installer dans les zones urbaines quelques années après, ça a évolué avec des soi-disant marabouts. Des gens qui se cachent sous le couvert de la religion musulmane, qui se font passer pour des marabouts, mais qui ne sont pas véritablement des marabouts, qui viennent s'installer dans les périphéries de la capitale pour demander de la charité. Ils n'apprennent pas aux enfants les préceptes coraniques. Ils n'apprennent pas aux enfants les, valeurs euh, islamiques. Mm ils exploitent les enfants, les enfants sortent, les enfants ne cherchent pas cette fois-ci de la nourriture, mais les enfants occupent, investissent les grandes artères de la capitale, mhm. les places, à savoir les places publiques, mhm. les marchés, les feux optiques, mhm. pour demander de l'argent. De l'argent. Et cette manière de faire est devenue une manière qui n'est pas acceptée par la société. Et puis, la mendicité a évolué avec une autre catégorie de personnes, c'est-à-dire cette fois-ci, ce sont des personnes qui sont considérées comme des personnes vulnérables dans nos sociétés, les femmes et les enfants. Mais je dirais tout simplement, ce sont des femmes nigériennes qui quittent avec leurs enfants, leurs propres enfants, leurs enfants biologiques et, leurs, et des enfants sociaux, les enfants à leurs voisins, qui vont à l'extérieur pour chercher de l'argent. Parce qu'elles considèrent que plus vous partez avec un plus grand nombre d'enfants, plus vous avez la chance de bénéficier de la charité des gens. Et gagner plus. Et gagner plus d'argent. Merci bien, monsieur euh, Hamadou euh, Ibrahim Banya. Nous allons pour revenir pour parler en détail de toutes ces questions de mendicité à l'extérieur et même ici à l'intérieur. Nous allons à présent évoluer dans nos débats euh, et euh, monsieur Ahmed Issifiaro, dites-nous, beaucoup de Nigériens aujourd'hui lient la question de la mendicité à la religion. Est-ce véritablement un phénomène religieux? Je remercie d'abord l'ensemble du personnel de, de euh, qui prend euh, la mendicité comme une préoccupation nationale en visant les acteurs euh, demandant des solutions. Je pense bien que qu'Inch'Allah, peut-être on aura. Mais votre question en ce qui concerne le lien entre la mendicité et la religion, c'est carrément opposé. Si vous voulez, c'est ce qu'on peut qualifier, que ce sont même deux lignes parallèles. Mais c'est dans le contexte que les gens ont pensé que c'est lié à la religion, alors que non. C'était une tradition liée à la religion. Et depuis, avant même l'arrivée du prophète Mohammed il y avait des mendicités partout. Parce que Puisque la mendicité, c'est des causes de fois qui sont majeures. Des fois, c'est des guerres qui amènent. Des fois, c'est des démunis qui ne peuvent pas au sein de la société. Et maintenant, ils sont obligés de chercher d'autres moyens pour survivre. Mais le cas du Niger ou bien en Afrique d'une manière générale, vous allez voir que les gens ont pris ça comme métier, mhm. comme source de revenus. Mhm. Alors que c'est ça qui est condamné même par la religion. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths, nous allons parler de ça, comme quoi le prophète a dit les gens qui prennent la mendicité comme source de revenus vont se euh, retrouver euh, au, euh, euh, au, jugement dernier mhm. et il, leur visage n'ont même pas goutte de sang ou bien un morceau de, dans une véritable misère. Oui, dans une véritable misère. L'itinéraire même, depuis Adam au prophète Mohammed même les envoyés, la plupart des prophètes, mhm. et ce sont des, gens qui travaillent de, leurs propres mains, mhm. tels que nous. Nous, c'était un, berger. Mhm. Le Ibrahim est un berger, le prophète est un berger, mhm. Moïse est un berger. Mhm. Maintenant, vous prenez Daoud, c'est un forgeron. Salou, c'est un menuisier. Et il y en a d'autres qui ont de leur propre métier pour survivre sans demander quelqu'un, puisque c'était interdit partout. non seulement interdit, mais aussi ça donne une humiliation. Lorsque vous demandez quelque chose, à la société, vous allez vous humilier devant même cette société. Donc vous êtes incapable. Mhm. Et le prophète nous a dit que les gens qui prennent ça mhm. comme source de revenus, non, il n'y a aucune possibilité qu'il devienne un riche un jour. Mhm. Donc la mendicité amène certaines morts dans l'âme. mais, puisque quand ça dépasse, l'individu ne peut plus contrôler à ça. Alors que tous les textes coraniques ont demandé à ce que les gens aillent travailler. Donc tout ce qu'un individu fait, des actes, ça doit être dans ce même cadre. Que la mendicité qu'on a observée en Afrique, tout de suite, euh, Banya disait que les marabouts qui quittent. Et l'aspect de marabout, nous on était talibés. Un talibé, vous allez trouver avec son marabout, même dans son propre village, avec les parents. Mhm. Mais il ne, va pas il ne va pas chercher à manger à la maison, mhm. puisque c'était une sorte d'éducation pour au moins former l'individu mhm. à ce qu'il soit utile pour la société. C'est à cause de ça que vous pouvez trouver la même pratique même chez les militaires qui nous gouvernent, que tout le monde a perd de militaires à cause de leur force. Mais les militaires, ils passent à Tondibia. Quand vous allez voir ce qui passe à Tondibia, et il y a une humiliation de foi en ce qui concerne la formation. Et l'individu va devenir eh, un homme entier pour aider Sa nation. Et c'est la même chose que les gens font à l'époque. Mhm. Et c'était toujours mhm. au sein de la société. Mhm. Mais quand les gens quittent pour venir ici, on a dit que non, non, non, ça, ça dépasse. Lorsqu'on a commencé à avoir quelques talibés aux axes, on a dit non, l'État doit faire quelque chose. La communauté urbaine a fait une étude euh, sur le terrain. Ils ont trouvé entre 4 et entre 1 euh, et 3 mhm. enfants, il y a parmi eux un talibé. Entre 4 et 16, il y a deux talibés. Mhm. Mais le reste, là, ils ont, quitté où Ils viennent d'où Donc, c'est ça le, paradoxe, c'est ça le problème. Mm-hmm. Maintenant, il ne faut pas camper seulement sur les. Puisque les talibés, là, mm-hmm. les marabouts peuvent être comptés mm-hmm. et orientés pour qu'ils soient utiles pour la société. Puisque ce n'est pas normal à ce que j'envoie mon enfant. Euh, nous, on a fait. Mais si aujourd'hui le temps exige, à ce qu'un parent qui veut qui opte que son enfant va prendre le Coran, il doit prendre en charge l'enfant et son maître. Et c'est ok, ça devient comme privé, privé d'un privé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est un phénomène que ça doit inquiéter tout le monde. Hmm. Même pas seulement pour les, les, les écoles, euh, coraniques, coraniques, mhm. mais mais tout le monde, j'ai dit. C'est toute la société. Mais puisque aujourd'hui, le phénomène attaque même que les femmes mhm. se retrouvent parmi les gens qui demandent à de le monde. Mhm. de l'aumône. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux, même pas seulement les femmes. Mhm. Les femmes font ça dans la nuit. Mhm. ça veut dire quoi On est dans un état ou bien on est dans, un, une jungle. Mhm. C'est ça le problème. D'accord, merci monsieur euh, Ahmed Issefiaro. Nous allons revenir pour parler en détail de toutes ces pratiques qui euh, se développent ici euh, au Niger et qui sont dangereuses, comme vous le dites, pour la société. Nous allons revenir à vous, monsieur Zebrin Ahmani. Dites-nous, pour vous, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire par rapport à l'implication des enfants dans cette pratique de mendicité que l'on constate un peu partout à l'échelle nationale et même un peu à l'étranger mhm. des Nigériens qui partent avec des enfants pour pratique de mendicité. Bon, par rapport à ce phénomène-là, c'est un phénomène effectivement qui a, qui a grossi. C'est la mendicité, elle existait comme les ont expliqué les autres de, longue date, mhm. mais elle se fait dans le cadre éducatif, mhm. comme ils l'ont expliqué. Mais de plus en plus, avec euh, la croissance de la population, avec des, des, phénomènes, euh, comme la sécheresse électrique qui font que euh, les gens désertent les campagnes pour se retrouver en ville, avec des phénomènes d'insécurité qui fait que les gens se, sont déplacés, et les gens, les déplacés qui, quittent et laissent tout derrière eux, donc le, le phénomène a grossi. Ça a, pris beaucoup d'ampleur. ça a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, pour les enfants, les enfants souvent sont entraînés. Effectivement, les enfants sont entraînés dans la mendicité, uniquement pas seulement des enfants talibés, parce que euh, la mendicité des talibés qui sont encadrés même dans le temps. Quand vous voyez les talibés qui viennent avec leur marabout, ils s'installent ou dans une périphérie ou dans un local, quand ils font, quand ils font cette, euh, euh, quand ils font la mendicité là, à un certain âge, ces enfants-là, ils abandonnent cette mendicité ils ne la continuent pas. Mhm. Mais et les autres, pour lesquels ils ont pris ça comme euh, une profession, mhm. un métier, et une recherche de, choses, eux, ils la continuent. Mhm. Parce que d'autres, ce n'est pas effectivement des, talibés. Euh, oui, parce que les talibés, et quoi qu'on dise, l'instruction, la formation qu'ils reçoivent, euh, là, les dissuader à continuer à faire la mendicité. Nous tous, moi, j'ai été talibé dans, mon, dans mon village. Et j'ai vu euh, de temps en temps, les gens, on sort et, en chose. Et on nous dit même, il faut le faire parce que c'est éducatif. C'est pas parce que on n'a pas à la maison. Donc, c'est dans le cadre éducatif. Voilà. Mais maintenant, quand ça a pris de l'ampleur, maintenant, c'est devenu euh, une recherche de, de gains de, gain, de biens matériels. Mhm. Donc, c'est ça qui est devenu effectivement très dangereux. Parce que quand on voit aux alentours, parce que tous ceux qu'on pense, bon, les gens, ils font pas de distinguo entre. Quand on voit un enfant, on pense que c'est un talibé, tout simplement. Mais il y a d'autres qui ne sont pas des talibés. Ils ne manquent pas de marabout. Mais comme ça rapporte de l'argent, ils rentrent et pénètrent là-dedans. Et ils cherchent de l'argent avec force. Mais pour les autres, effectivement, il y a des groupes qui sont organisés. Il y a des gens qui profitent de, de cette situation pour essayer de prendre des enfants et eux aussi chercher de l'argent avec les mêmes enfants. Mm. Donc euh, ça devient une exploitation de la mendicité d'autrui. Et c'est ça qui est grave. Mm. Et c'est cette mendicité de l'exploitation de la mendicité d'autrui, mm. c'est ça qui fait que les gens, ils traversent les frontières et ils vont à l'étranger pour chercher de l'argent. Donc on Alors là, c'est une exploitation des enfants. Une exploitation des enfants, l'exploitation de la mendicité des enfants. Mm-hmm. Et ça, c'est réprimé par la loi. Hum. Merci, monsieur euh, Hamani. Nous allons observer une petite pause avant de poursuivre notre euh, échange l'avions évoqué euh, précédemment, la mendicité est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur euh, ici au Niger. Revenons à vous, monsieur euh, le sociologue Ibrahim Hamadou Banya. Dites-nous si on se fie à une analyse sociologique de manière brève, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut expliquer le développement de cette pratique Qu'est-ce qui en est la cause Pourquoi ça se développe Pour parler des facteurs qui sont en train d'encourager ces phénomènes, je m'en tiendrai d'abord aux facteurs euh, socio-culturels et religieux. C'est-à-dire, il y a des gens qui se cachent derrière la religion pour s'adonner à la mendicité. Parce que c'est culturel. Il y a des gens qui s'adonnent au phénomène parce que ils n'ont pas les moyens. C'est des gens qui sont vulnérables sur le plan économique. Il y a aussi des gens qui s'adonnent à la, à parce que tout simplement ça rapporte facilement de l'argent. Donc le gain facile, la recherche du gain facile les amène à s'adonner à cette pratique. Mais de toutes les façons, nous savons que et pour ce qui est des enfants qui font la mendicité, nous savons que nous sommes, nous évoluons euh, dans une organisation sociale, dans une société où l'organisation sociale mhm. est favorable à la responsabilisation précoce de l'enfant. Mhm. Le parent voit à l'enfant un intérêt immédiat. Mhm. Donc, il faut exploiter l'enfant, il faut l'exposer, pour qu'ils puissent être à mesure de contribuer aux charges familiales. Aux charges familiales. Il y a aussi des parents qui se cachent derrière le postulat selon lequel le savoir, il faut, ah, il faut le chercher, même s'il faut aller en Chine. Il y a des parents qui se cache derrière le postulat selon lequel l'intelligence sociale ne peut être acquise à la maison. Donc il faut aller mhm. quelque part pour apprendre le Coran mhm. et aussi pour apprendre le savoir-vivre. Mhm. Donc tous ces facteurs, ces comportements font que la mendicité prend de l'ampleur, mmh. se développe, et qu'est-ce qu'on peut dire s'intensifie, uh-huh. s'intensifie. Ici au Niger. Ici, ce qu'il faudrait condamner dans cette pratique, uh-huh. c'est la catégorie des gens uh-huh. qui s'adonnent à la mendicité, qui ne sont pas des handicapés physiques, qui ne souffrent, pas d'handicap. Effectivement, c'est à cela que ne sont pas des abandons. Nous avons constaté, par exemple, il y a des personnes mhm. que vous voyez souvent euh, mhm. après les prières ou mhm. bien dans des, en, circulant dans des villes avec des ordonnances, euh, cherchant de l'aumône, disant, ou bien des personnes qui prétextent être en voyage et euh, être un peu bloquées par, des, par les moyens financiers et qui demandent de l'aumône pour soit poursuivre leur chemin ou bien pour des besoins de soins. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette pratique Mhm. Est-ce c'est toujours euh, le même cadre de mendicité ou bien c'est une nouvelle forme Non, non, c'est une nouvelle forme de... C'est ce que je suis en train de dire. C'est là où je voudrais en venir. Mhm. Il y a une nouvelle forme de mendicité qui est en train de se développer aujourd'hui et qui est presque devenue un métier. Mhm. Et pour laquelle la personne préfère mendier que d'aller et d'aller chercher, travailler physiquement comme les autres. Et cette catégorie de personnes-là, ce sont cette catégorie de personnes qui tirent notre développement vers le bas. Mm-hmm. Puisque c'est des gens, c'est des bras valides, mm-hmm. qui ne souffrent d'aucun handicap physique. Mm-hmm. Et qui, qui, qui, ne sont pas victimes d'abandon familial. qui viennent, et, comment est-ce qu'on appelle ça, dans les, les villes pour chercher de l'argent vous venez de le dire qu'il y a des gens qui sortent avec, euh, avec, avec le fallacieux prétexte qu'ils ont des malades. Hmm. Ils ont des malades, ils n'ont pas d'argent pour les soigner. Hmm. Je pense que pour des gens comme ça, il va falloir que l'État prenne des dispositions, même si ce sont des mesures coercitives qu'il faut prendre à leur encontre hmm. pour les amener ah, à, travailler, parce que il y a des au moment où des gens travaillent, au même moment, des gens sont en train de, de, courir D'accord, nous allons en venir à toutes ces questions, les, ce qu'il faudrait faire et ce que l'État doit peut-être envisager pour arrêter ces pratiques. À présent, nous allons euh, poursuivre, nous allons revenir à M. Ahmed Soufiaro. Dites-nous, euh, en tant que prédicateur religieux aujourd'hui, de votre point de vue, comment est-ce que cette question de mendicité impacte même la perception de la religion Est-ce que ça gâte le nom de la religion ou bien euh, qu'est-ce que ça peut vraiment euh, donné comme conséquence sur la religion. Eh, eh, la religion islamique, c'était d'abord une religion eh, basée sur la doctrine, le travail, linter euh, une mode d'organisation que tout le monde, tous les savants ont accepté que le, le mode d'organisation islamique est la meilleure au monde. Donc la mendicité ne peut pas être euh, liée à l'islam et que les gens euh, frottent leurs mains pour dire que c'est bien. Les gens ont profité de la religion puisque la religion nous a demandé d'être euh, solidaires. C'est avec cette solidarité et les gestes que les gens font que ça a pris l'ampleur, mhm. puisque les gens utilisent tout de suite, on a cité beaucoup de choses. Mhm. Il y a beaucoup de choses aussi qui vont venir. Mhm. Puisque même aujourd'hui, si vous prenez le média international, mhm. vous allez voir que il y a des gens qui prennent, ils mettent leurs pieds ailleurs, ou bien on gonfle ça pour se transformer en un mendiant, puisque l'être humain doit être l'image euh, d'Allah le euh, Tout-Puissant, mhm. qui, qui, a toujours pitié, à, à, ses, à, ses, à, créateurs. Mhm. Donc, euh, dès qu'on doit, on voit les, les, les, les, gens dans des circonstances, mhm. on court pour apporter la solution. Mais en aucun cas, la mendicité ne peut pas être une veste ou bien coloration de la religion. Et la religion a combattu ça. C'est à cause de ça que si vous prenez le Coran, le mot i'imalou »,« i'imalou »,« allez travailler, allez travailler. Dieu a cité ça 291 fois dans le Coran. Vous voyez donc euh, euh, comment ça place. i'imalou »,« fasayarallah Amalukum wa rasuluhu. là, la yudiyu amala amilu minkum min zakra unsa. Vous pensez que euh, une heure qu'on nous a donnée, ça suffit pour lire euh, ces versets-là. Non, euh, non, ça ne Peut pas suffire. Donc, la première des choses, hum. c'est toujours, j'ai dit bien, c'est le travail. Le Coran, quand il est descendu, ça a par le savoir. Hum. Et après le savoir, maintenant, c'est le, travail. Le, travail. Puisque c'est le travail qui paye. C'est à cause de ça que le prophète a dit, ah, ah vous prenez une corde pour aller chercher du bois. Hum, vous vendez ça pour vous suffire autosuffisant. Euh, ça, c'est mieux que d'aller tendre la main, mhm. qu'on vous donne ou bien on ne vous donne pas, puisque Aliedul Al-Oula, mhm. Al-Ulia, de Soufla. Mhm. Il dit, mais la main qui donne là est plus supérieure, c'est que. Euh, la, main qui, Donc, vous voyez, c'est pour de, donner une idée comme quoi non, la mendicité en aucun cas ne peut pas être une euh, activité euh, religieuse. dans quel cas, quels sont les cas dans lesquels euh, l'islam permet euh, de partir euh, L'islam permet le diminuer. Le diminuer aussi, on a vu comment l'islam a géré ça, quand mm-hmm. l'islam a, sa, puissance. Mm-hmm. Autant temps de Omar ibn Abdelaziz, même, même les aveugles, ils ont des enfants qui les guident à aller à la mosquée ou bien aller faire ses besoins. Et les enfants ont, euh, été pris en charge par euh, euh Baitul Mal, mhm. autant de Omar Abdelaziz. Mais il n'y a pas de mendicité. Mhm. La mendicité aujourd'hui a deux formes, à mon avis. Mhm. La forme qu'on combatte et la forme qu'on ne combatte pas. La forme qu'on combatte, c'est la forme qu'on a avec les, les citoyens lambda, les talibés et les femmes qui se transforment pour chercher des gains facile. Mais l'autre là qu'on ne parle pas, ça peut être l'État, ça peut être les ONG, ça peut être n'importe qui qui va chercher de l'argent au nom des de mêmes euh, euh, euh, vulnérables. Mhm. Et si les gens viennent, on ne donne pas. Ce qui se passe en Afrique, mhm. c'est unique à l'Afrique. Toutes les ONG qu'on a observées mhm. en Europe, en Asie et aux États-Unis, et ils ont aidé deux fois que les, puisque la pauvreté ne peut pas finir, mhm. la pauvreté fait partie parmi ce que Dieu euh, a créé pour ah. que la continuité euh, soit garantie. Mhm. Donc, euh, les ONG qui se trouvent partout, mhm. ils sont chaque fois derrière les gens. C'est à cause de ça qu'on ne voit pas tellement les gens qui, qui, mentent quelque part. Ils peuvent prendre un endroit pour s'asseoir, mais l'heure de manger, il y a des endroits uniquement ils vont manger. Parce qu'il y a un mode d'organisation chez eux qui ne se trouve pas chez nous. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai dit pourquoi on ne, on ne voit pas ça. puisque la plupart des ONG aujourd'hui, si l'État fait une enquête va trouver que c'est des milliards que les gens ont envoyés au, Niger mhm. à cause de, de, la mendicité mhm. ou bien à cause de la vulnérabilité mhm. et que euh, euh, personne ne, ne, voit pas ça et que personne ne peut justifier. La religion a toujours combattu et ça continue. C'est à cause de ça que je dis. Et tantôt qu'on parle les talibés qui sont avec leurs marabouts, ça c'est dans le domaine de l'éducation. Ça c'est c'est comme euh, ce qui se passe, je dis, euh, dans le, dans le camp militaire. Mais si aujourd'hui, si ça dépasse mhm. et que la communauté voit que vraiment ça ne peut pas aller, mhm. mais on peut changer, on peut prendre des dispositions pour changer carrément euh, de cette pratique, que ça soit banni dans, le, Niger ou bien dans l'Afrique, dans le monde entier. Mais, et, et, Moustapha, mhm. vous voyez aujourd'hui que ce n'est pas un secret pour personne que tous les décideurs, que ce soit les marabouts jusqu'au chef de l'État, ne peuvent pas prendre une route pour aller à l'aéroport ou bien quelque part sans voir ce qui se passe. sans parler même les, les, les, les, les PV de, de, la police ou bien des services sociaux concernés pour dire que ah, la plupart des gens qui se trouvent aussi, ce sont des gens qui manquent d'eau. Mhm. Donc l'État doit faire quelque chose pour maintenir ces gens-là. Et c'est des gens qui ont des, tenues d'eau, mais ils n'ont pas de ruminants. Mhm. Le pelle là et mhm. autres le bouzou, doit être chez eux. Mais pour, pour qu'ils euh, restent, il faut que l'État au moins amène une aide des ruminants pour maintenir ces gens. L'agriculture ne marche pas. Mhm. L'État doit chercher des moyens, mm. puisque aujourd'hui, 29e siècle. Nous allons venir à ces questions de ce qu'il faudrait faire. Nous allons à présent revenir à M. Zebrin Hamani. Dites-nous euh, de manière brève, qui représente pour vous euh, cette, euh, ce développement de la pratique chez les enfants qui sont vraiment là en train d'être impliqués dans cette mendicité Bon, pour nous, pour nous vraiment, par rapport à la question de mendicité, et des enfants et surtout, surtout par rapport aux enfants qu'on entraîne euh, vers l'extérieur pour euh, chercher des biens, nous, nous pensons que tout simplement c'est la traite des personnes. Et ça, c'est condamné par la loi. Vous ne pouvez pas, par quelque processus que ce soit, et vous prenez les enfants d'autrui, vous, les, vous les transportez avec des, complices pour les regrouper à des endroits et vous mettez des vous, assurez le transport et vous traversez les frontières mhm. et vous les mettez à la disposition des gens pour exploitation. Mhm. Et ça, c'est condamné par la loi. Mhm. Et la loi, je crois que par rapport à cela, l'État a créé deux institutions qui sont euh, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, qui sont actuellement actif dans, dans, ce domaine-là. Mm-hmm. Il y a des lois, il y avait des, règlements et il y a des dispositions, il y a des sensibilisations mm-hmm. qui, qui sont là pour essayer d'éviter, pour créer les conditions pour que cela puisse être freiné. Mm-hmm. Mais malheureusement, avec les, les gens qui sont organisés, parce que c'est des crimes organisés, les gens qui sont organisés, ils vont toujours passer dans les mailles de filet et pour amener des gens à l'extérieur pour faire la mendicité. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous allons à présent parler de ce qu'il faudra faire pour lutter contre euh, cette euh, pratique de mendicité qui se développe de plus en plus, comme nous l'avons dit précédemment. Monsieur euh, Ahmed Isif Yaro, vous êtes un prédicateur religieux. Dites-nous, que pensez-vous de la loi qui interdit la mendicité qui a été votée en mai 2019 Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire On a parlé également de cette pratique, surtout celle des Nigériens qui partent à l'étranger. On l'a vu, beaucoup de Nigériens ont été expulsés pour pratique de mendicité dans certains pays. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement et que pensez-vous de cette lutte contre la mendicité euh, Merci beaucoup, Moustapha. Mais euh, partout où on vote des lois, mhm. il y a toujours euh, euh, euh, quelque chose qui accompagne la, même loi, pour que ça soit au moins ça, euh, praticable. La loi a été votée, c'est bien, mais n'oubliez pas qu'il y a des dispositions dans le Coran pour contrecarrer la mendicité. La, zakat, là, et autant de Umar ibn al aziz Umar ibn al-Khattab, il y a eu tellement de. de Mal était même accidentaire tellement on donne, on donne jusqu'à ce que ça devient vraiment, on ne peut même pas euh, euh, estimer l'argent qui se trouve dans le Mal. Pourquoi Parce que la répétition qui est bien. Vous pensez que l'argent qui est aujourd'hui dans les mains des gens, si on craint Allah le Tout-Puissant, puisque c'est ça le, le, problème, et on doit sortir, puisque la zakat là, quand tu es riche, ça dépasse un million dans les banques pendant une année, et vous êtes musulman, vous êtes obligé d'enlever au moins 25 000 francs. Mhm. Et les 25 000 francs-là, si c'est multiplié, vous êtes milliardaire, vous pouvez donner ça à une seule personne qui peut aller travailler. C'est ça que Omar ibn al-Khattab a dit. Mhm. Il dit à son, euh, son employé qui se trouve à Bassora, mhm. donnez euh, surtout les pauvres, même si vous multipliez ou bien quadruplez, c'est tout ce que vous donne. Puisque chaque mois, comme Omar Ibn al-Khattab, c'est lui qui a initié les pensions pour les enfants et les pensions pour les, les, les, veuves là. Et chaque année, il faut qu'il glisse un mot pour dire il faut payer ces gens-là. Et tant, tant, tant, tant. Un, moment là, euh, son employé a dit ah, on a payé, euh, qui se trouve à Bagdad, on a payé, mais ça reste beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait Il dit mais si ça reste beaucoup, il faut voir euh, ceux qui ont des projets de mariage il a financé tous les, tous les euh, célibataires qui se trouvent. Il dit encore, ça reste. Il dit maintenant, il faut voir ceux qui ont des dettes, il faut payer leurs dettes. Il a payé les dettes. Il a répondu à Omar pour dire que ah, ça reste. Il dit maintenant, si ça reste, maintenant il y a des guizias qu'on Les gens qui vivent sous l'islam, qui ne sont pas des musulmans, et ils payent l'impôt. L'impôt, là, il ne faut pas prendre ça auprès de, telle région, telle religion, jusqu'à deux ans. Vous voyez, c'est pour toujours aider. Et bah, dans le passage, Omar a dit, à mon avis, eh, on vous donne, eh, eh, si vous pouvez donner quelqu'un 1000 chameaux, 5 ce c'est pas un problème. 5 chameaux, il n'est pas devenu riche. il est devenu riche puisque les chameaux, quand vous avez 5, et ça, ça, dépasse un an, vous allez enlever au moins ça un petit ruminant. Mais si c'est que aujourd'hui l'islam vous a donné, vous êtes actif, vous pouvez devenir riche, et c'est ça l'objectif. parce Puisque on dit, et quelque part, on dit, que l'argent ne se reste pas dans la main de euh, riches, seulement, que ça roule. Et c'est ça aujourd'hui un bon économiste. Si on lui demande, le pilier de développement, il va dire non, un pays qui n'a pas de circulation, des, activités, mhm. ça ne peut pas se développer. C'est l'État qui va prendre l'argent, il donne ça aux éleveurs, mhm. il donne ça aussi aux cultivateurs. Les cultivateurs vont cultiver, les éleveurs vont euh, pousser leurs ruminants. Mhm. Maintenant, se, retrouvent au marché où il y a des commerçants qui vont acheter. Et les commerçants, en contrepartie, c'est des gens qui vont vendre. et maintenant, l'État va gagner, puisqu'ils mhm. puisque ils vont déposer ça dans des banques, et l'État va prendre sa part à travers les transactions bancaires. Et, et, et, et, tout le monde gagne. Mhm. C'est ça une organisation. Avec un, investissement dans les différents secteurs, on peut Dans les différents secteurs. Mhm. Contrôler maintenant les ONG qui œuvrent dans le sens qu'on croit ils vont prendre des sous. Mhm. Mais je vous le jure, Mostafa qu'il y a tellement de, de milliards qui circulent sous que les gens ne voient pas qu'un jour, si on vous dit qu'au Niger, on a aidé la population nigérienne à tel montant de milliards de dollars, vous allez euh, euh, être étonné. Euh, mm, mm. Puisqu'il n'y a pas de contrôle. Mm. C'est l'État qui est abandonné. Alors que l'État doit être la mère, l'État doit être le père, l'État doit être supérieur à tout le monde. Mm-hmm. Mais quand on voit que des ONG ne donnent pas de rapports au ministère du Plan mm-hmm. pendant des années, ça c'est la faute à l'État. Comme l'État est là dans les marchés avec les mairies pour prendre des tickets et des, journaliers, et les prestations euh, euh, euh, mensuelles et autres là, mhm. mais il doit encore mettre des pressions à des ONG qui vont prendre l'argent au nom des Niger, mhm. doivent au moins euh, investir. investir. Mais... Non seulement prendre l'argent pour venir au Niger, mais l'État doit contrôler pour voir maintenant dans quel secteur, dans quelle région j'ai des difficultés, ou, ce qu'on euh, peut faire. Et aujourd'hui, vous m'excusez, hein, je suis religieux. mais quand on me dit que toutes les ONG uh-huh. islamiques vont demander des constructions de mosquées. Mm. Mais, mais, mosquées, il y en a suffisamment au Niger, mm. si on a des musulmans qui prient. Mm. Mais pourquoi maintenant l'État ne peut pas obliger les gens d'aller faire euh, des, écoles ou bien de faire des dispensaires, puisque c'est la même récompense Récompense. Merci, monsieur Ahmed Issefiaro. Vous êtes prédicateur religieux, membre euh, chargé des relations extérieures à l'Association islamique du Niger. Monsieur euh, Hamadou Ibrahim Bayan. Monsieur euh, M. Hamadou Ibrahim, dites-nous euh, en quelques mots ce qu'on doit faire aujourd'hui pour lutter contre euh, toutes ces pratiques de mendicité. Nous sommes presque à la fin de notre temps d'émission. moi, je dirais que pour mettre fin à cette pratique, il faut interpeller les différents niveaux de gouvernance. En dehors de l'État, il faut interpeller la société civile, il faut interpeller les leaders religieux, il faut interpeller les autorités coutumières, il faut interpeller tous les acteurs à quelque niveau que ce soit qui ont une part de responsabilité, qui ont un rôle déterminant à jouer. Ils doivent apporter leur contribution pour mettre terme à ça. Merci. L'État, à travers, mm-hmm. Mm-hmm. à travers ces lois, fait peut prendre des mesures coercitives à l'encontre des gens qui pratiquent la mendicité, qui jouissent de leurs facultés Physique. D'accord, merci monsieur. Uh-huh. doit renforcer la protection sociale. Le toit doit investir dans les milieux ruraux, puisque la plupart du temps, c'est des gens des milieux ruraux qui, viennent, grossir uh-huh. les populations urbaines. Uh-huh pour pratiquer donc, Donc l'État doit revoir les, les, les, ONG, les partenaires financiers euh, financiers techniques doivent revoir leur manière d'agir en faveur de la protection, sociale. L'État mhm. doit investir dans les milieux ruraux. Mhm. L'État, en fonction des potentialités dont similaires, ces milieux, mhm. l'État doit savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour fixer les populations, pour que les femmes et les enfants ne, viennent plus dans les zones urbaines ou bien ne partent plus à l'extérieur pour pratiquer la euh, mendicité. remettre en question mhm. et, l'État, leurs États mhm. pour, comment est-ce qu'on appelle ça, porter atteinte à l'honneur de mhm. leur nation. puisque puisqu'il s'agit du développement. D'accord, merci monsieur, nous avons compris. Nous allons euh, peut-être revenir à monsieur euh, Ibrahim Jibrin Hamani. Dites-nous en quelques mots ce qu'il faudrait faire. Nous sommes à la fin de notre temps d'émission. Moi je, moi, je crois que en amont, euh, par rapport à cette situation-là, c'est principalement deux axes sur lesquels il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent sur l'enseignement, l'école. Quand, les, quand il s'agit des enfants, les enfants n'ont place qu'à l'école. Que ce soit les enfants talibés ou les autres, là, créer les médrassas et chercher un encadrement adéquat pour que ces enfants-là soient pris en charge. Ceux qui sont à un âge euh, euh, avancé, faire la formation professionnelle pour leur permettre d'avoir un avenir. Certains et abandonner la, mendicité. Parce que avec la formation professionnelle, mhm. c'est d'abord la création des emplois. Mhm. Et qui dit emploi, c'est la création de revenus. Et quand on dit il y a un revenu, donc c'est la disparition de la pauvreté. Et quand la, pauvreté est, éliminée, je pense qu'il n'y a plus de mendicité. Merci, M. Zibrin Hamani, pour euh, ces éléments de réponse. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du studio Kalangou, qui nous a permis d'échanger sur la question de la mendicité des Nigériens à l'extérieur et hors des frontières. Nous avons retenu dans ce forum que les investissements qu'il faudrait créer de conditions à ce que l'État investisse dans les différents secteurs économiques et contrôler les différentes ONG qui agissent dans le cadre euh, d'aider les populations afin de mieux assurer leur activité et permettre à la mendicité de prendre fin. Les invités euh, évoquent également qu'il faudrait interpeller les différents acteurs, que ce soit les acteurs euh, de la société civile, l'État, les autorités étatiques, les autorités coutumières et tous les acteurs afin de créer les conditions de mettre fin à cette pratique des Il ressort également des interventions des invités qu'il faudrait prendre des mesures coercitives et investir surtout sur le domaine de l'éducation, l'école, la formation professionnelle pour faire en sorte à ce qu'il y ait suffisamment de métiers, qu'il n'y ait plus dans la mentalité des Nigériens cette pratique de mendicité qui se développe de plus en plus. Donc il faudrait initier les enfants au professionnalisme, aux activités socio-économiques. En espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont diffusés sur nos 46 radios partenaires et sur 6 télévisions euh, partenaires. Nous étions dans ce forum en compagnie de messieurs euh, Hamadou euh, Ibrahim, euh, Banya Ibrahim, qui est sociologue, de M. Zibrina Hamani, chargé des programmes de l'association de lutte contre le travail des enfants au Niger, Alten, et M. Ahmed Issif Yaro, qui est prédicateur et chargé des relations extérieures à l'AIN, l'Association islamique du Niger. Et au niveau de la présentation Bakim Boutour Al-Mustafa, euh, régie technique euh, Issa euh, Lawali et régie vidéo Ay Mustafa Ayuba. Merci et à bientôt pour votre fidélité sur le programme du studio Kalango. À bientôt pour de nouvelles thématiques d'actualité.